Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse euh, du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour euh, de la recrudescence euh, de nouveaux cas positifs et de décès dus à la COVID-19 au Niger. L'actualité, c'est aussi ce symposium des chefs traditionnels du Niger autour de la transition démographique. À suivre également dans ce forum, l'année de nos confrères sur la journée africaine de la sécurité routière célébrée dimanche 21 novembre 2021 au Niger. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Ousmane Sidikou, bonsoir. Mokta, bonsoir. Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abakari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokta et Memouna Diado, journaliste indépendante également. Euh, Memouna Diado, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons ce forum de la presse euh, de ce vendredi 26 novembre 2021 par la maladie du coronavirus. Au Niger, euh, ces dernières semaines, l'on assiste à une relative recrudescence euh, de nouveaux cas positifs et de décès dus à la COVID-19. Selon le directeur de la surveillance et de la riposte aux épidémies du ministère de la Santé publique, Dr Ibrahim Tassiou, on estimé qu'il s'agit du début d'une nouvelle vague de la pandémie. à la date du 23 novembre 2021, il y a eu 6851 cas de contamination et 246 décès liés au coronavirus recensés dans le pays depuis le début de l'épidémie. Il y a eu aussi le lancement lundi à Niamey de la semaine africaine de la vaccination par le ministre ministère de la Santé avec euh, l'appui de l'Organisation mondiale de la Santé OMS. Abkari quel commentaire vous inspire à euh, ces chiffres 6851 cas de contamination et 246 décès liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Merci. Euh, je comprends que c'est lié à l'environnement international euh, notamment les pays européens, et les médias, les grands médias qui ne cessent de ressasser, de nous montrer ces cas de euh, Covid, n'est-ce pas, surtout au grand moment, au premier moment de cette pandémie. Je comprends euh, très bien ça. Mais vraiment, sincèrement, en ce que je pense, il faut faire la part des choses. La part, des, choses, la part des choses, il faut, c'est-à-dire donner à chaque chose sa place. Nous sommes dans des pays, pour parler des pays africains, où euh, les enfants meurent au quotidien de paludisme. De quelle maladie encore je vais parler On en a tellement et qui nous tue beaucoup plus. Méningite, par exemple, la rougeole par exemple, toutes ces maladies infantiles. Oui, tout ça, même le rhume ordinaire, à mon avis, sincèrement, un seul être humain qui meurt, c'est déjà très grave. Mais le rhume ordinaire, c'est-à-dire la pneumonie et autres, tue beaucoup plus que cette maladie l'effort qui est déployé, n'est-ce pas, pour faire exister cette maladie-là chez nous, vraiment, il faut mettre le même effort pour lutter, n'est-ce pas, contre le paludisme. Et même le sida, aujourd'hui encore, tue certainement beaucoup plus que euh, cette maladie-là chez nous encore. Et donc, moi, euh, j'aime bien vraiment que euh, notre ministère de la Santé soit à la mode, comme ça se fait dans tous le euh, pays, c'est-à-dire comme ça se fait en Europe, à l'instar des autres pays. Mais vraiment, il faut pouvoir faire la part des choses. En venant tout de suite, j'ai lu la déclaration euh, du SUSAS parce que le ministère a exigé désormais de tous les travailleurs du secteur, de, la santé, même les mais des élèves et mm. étudiants du secteur, pour avoir leur position de stage, pour accéder à leur lieu de stage, désormais, ils sont obligés de montrer la carte de vaccination avec le cachet euh, euh, contre la Covid. Mais sincèrement, est-ce que ça vaut le coup N'est-ce pas On doit remercier le bon Dieu de nous avoir préservés. Parce que ce qui a tué euh, un demi-million aux États-Unis, plus de 300 000 en France, en Italie et tout et tout, n'est-ce pas Si cette maladie-là pouvait prospérer, c'est certainement allait nous exterminer. Ce n'est pas le cas. Dieu merci, occupons-nous vraiment des vrais problèmes de santé. Maintenant, on peut demander aux gens d'observer par exemple la, distanciation, les gestes barrières. Les gestes selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé, au dernier euh, Conseil des ministres, un peu plus de 500 000 euh, Nigériens se sont fait vacciner. Comment expliquer euh, cette réticence des Nigériens à se faire vacciner Mais les gens n'ont pas confiance en fait, la majorité des gens ne croient pas. Et les gens sont libres. En matière de vaccination, de prévention de maladies, personne ne peut être obligé à faire. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on demande aux gens d'aller faire, d'aller faire. Ils ne veulent pas. Mais s'il y avait un, truc, euh, une vaccination, un vaccin contre le paludisme, n'est-ce pas Et qui a été euh, fait euh, dans les règles de l'art, testé, homologué dans les règles de l'art, on va voir. On fait combien de vaccinations de notre naissance à aujourd'hui On a fait au moins une bonne dizaine, n'est-ce pas Et les gens ont toujours fait le rang. Pour ceux qui peuvent, même tu achètes le flacon, tu amènes chez toi, tu fais vacciner tes enfants, après tu donnes aux voisins pour que ça ne se gâte pas. Mhm. N'est-ce pas Mais voilà un vaccin, on dit que les gens, ne, veulent pas. Et, pourquoi Même en Europe, là où on dit que ça a été découvert et tout, les gens n'en veulent pas. N'est-ce pas Et les gens marchent même contre ça. Donc il faut vraiment sensibiliser, et démontrer aux gens que c'est un bon vaccin au fur et à mesure, mais sinon, un vaccin, tu fais la même année, une fois, deux fois, on est à troisième rappel pour les plus de 65 ans. Ousmane coup, la réponse de nombreux pays fut de fermer certains établissements tels que les écoles, les lieux de travail et les frontières internationales afin de limiter la propagation du virus. Quelles mesures doivent être renforcées pour maintenir le nombre de cas à un faible niveau euh, merci Mokhtar. Euh, je joindrai ma voix à celle de Harimi. Euh, vraiment, il faut contextualiser les choses. Vu le branle-bas que ça a suscité dans d'autres pays, ce n'est nullement pas le cas ici chez nous. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes à un stade où les gens veulent mettre beaucoup plus l'accent sur le nombre de cas. Il y a une certaine exaspération du nombre de cas, tout comme des, les décès liés à cette pandémie-là. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait, ne serait-ce que pour rappeler le respect de ces mesures barrières. J'ai comme l'impression qu'on occulte ou bien on fait fi de ces mesures barrières tout en se focalisant sur le nombre de cas enregistrés, le nombre de décès. Bon, pour des décès qui leur sont propres, d'accord. Mais Arimil l'a dit, il y a beaucoup plus. C'est vrai, les maladies se valent et chaque, euh, vie perdue, euh, vraiment, c'est aussi grave. C'est aussi grave. Mais il y a beaucoup plus de maladies sur lesquelles vraiment l'accent doit être mis. Parlons du vaccin. Aujourd'hui, Arimil l'a dit, les gens ont du mal, jusqu'à preuve de contraire, à accepter. C'est-à-dire, il y a certains n'y croient même pas à l'existence de cette maladie. Oui, aujourd'hui, nous sommes. Comment amener ces Nigériens à croire que la maladie est réelle et elle existe Nous sommes aujourd'hui dans un temps, par exemple, nous sommes en bientôt c'est la, saison froide. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que, à la moindre pécadille, quand on va penser que vous êtes arrumé, vous partez, qu'on vous catalogue comme quoi euh, vous êtes atteint de, la Covid. Vraiment, il faut qu'on fasse la part des choses. Non seulement, au lieu de faire tout ce bouquin là sur le nombre de cas, sur les mesures il faut s'apaisantir, c'est-à-dire ne serait-ce que sur le respect des gestes barrières. À un moment donné, conviendrait avec moi qu'il y a eu un relâchement de ces mesures barrières-là. Oui, c'était dû à quoi C'est c'est psychologique, les gens n'y croient pas. Aujourd'hui, le fait même d'exiger à des élèves pour aller à leur lieu de ça, de se faire vacciner. Bon sang, cest dire c'est une approche, moi je me dis que c'est l'approche même qui est biaisée dès au départ. Aujourd'hui, il aurait fallu aller dans les écoles, puisque euh, on parle de contact. Pourquoi ne pas aller à travers des caravanes ou bien aller dans des endroits publics, dans les écoles, sensibiliser C'est là où je dis il faut vraiment insister vous, pensez que le ministère ne fait pas assez Bon, comme disent euh, les habitants d'un c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Il faut revoir la copie. C'est l'approche qu'il faille revoir. Voir. Mm. Franchement, il faut revoir. On ne pas des séances de sensibilisation. des approches, des approches des approches, Mokhtar. Aujourd'hui, je suis convoqué, pas même dans des, certaines contrées. Dans la capitale, il y a des gens qui n'y croient pas. Qui n'y croient pas. La preuve, vous avez vu le nombre de de trucs de, de, vaccins, tel vaccin, tel vaccin, pour la même maladie. il faudrait vraiment revoir l'approche, vraiment euh, pour fédérer les, vues, amener les populations à un changement de comportement pour que effectivement ils arrivent à y croire à cette maladie. Donc maintenant, si euh, pour des dessins qui leur sont propres, ils veulent en faire euh, un truc de marketing, ça ne va pas marcher. Arim l'a si bien dit, il y a en ce moment, c'est-à-dire, il y a tellement de maladies, surtout en cette période-là, qui méritent d'être vraiment euh, prises au sérieux et se donner les moyens euh, pour investir euh, en termes de prévention. Donc, vraiment, c'est tout un travail qui beaucoup reste à faire. Et les autorités en chef sont interpellées. Mme le Niger, à l'instar de plusieurs pays de la sous-région, confrontés euh, aux défis liés au déni de la maladie. Ousmane l'a dit, Abba l'a rappelé. Ceci se traduit par un relâchement dans l'application des mesures barrières pour la prévention de la COVID-19. Comment amener les Nigériens à mieux respecter ces mesures euh, barrières-là mais ils l'ont dit, ceux qui m'ont précédé, c'est la sensibilisation. Donc, un ministère, en fait, moi je me dis que j'ai toujours dit, hein, quand vous voulez que les choses marchent, il faut faire avec la communication la communication d'approche. C'est-à-dire qu'il faut mettre les journalistes au parfum, laisser les journalistes travailler, laisser aller sur le terrain ces journalistes, laisser vous aider pour aller vers la sensibilisation. Mais aujourd'hui, je l'ai toujours dit sur ce plateau, qu'il y a bon nombre de Nigériens. Selon vous, c'est le message qui ne passe pas Le message ne passe pas. Le, le message ne passe pas parce que, comme ils l'ont dit, il y a trois vaccins, trois différents vaccins pour une seule maladie. Donc, où est le choix Est-ce que tu vas prendre le choix de faire euh, la vaccination de Johnson Johnson, ou bien Sinopharm, ou bien <laughs> mais, mais AstraZeneca, parce qu'avec tout ce que nous entendons sur les réseaux sociaux, de bouche à oreille, qu'il y a ces vaccins, c'est des vaccins à conséquence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, ou Aremi, par exemple, va aller se faire vacciner euh, Johnson Johnson alors que ce n'est pas le produit Johnson Johnson Quelle est la composition même du produit c'est ça le problème. Est-ce que c'est à cause de ça, à cause de cela que les Nigériens euh, traînent les pas Les Nigériens traînent les pas parce que les Nigériens n'ont pas cru depuis le début à cette maladie. Mais pourtant c'était réel, c'est réel. Euh. Mais c'est toi qui le dis que c'est réel. Mais est-ce que eux ils savent que c'est réel ils savent pas que c'est réel parce qu'ils ont des doutes depuis le début. Ils disent que ça a été eh, instrumentalisé. C'est une maladie qui a été déportée vers le Niger, vers l'Afrique, pour nous faire peur. C'est tout, hein, parce que eux, ils pensent que en fait, le rhume que nous sommes en train de vivre, c'est plus dur que le rhume aujourd'hui qu'on parle de Covid-19. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, euh, Mokhtar, on sort, on fait des tours, on dit ah, euh, allez-y vous faire vacciner. Deux jours après, trois jours après, on dit ah, il y a une donation de, euh, de, vaccins Johnson Johnson qui vient d'où De quel pays Est-ce que ces gens-là qui nous emmènent le Johnson Johnson est-ce que eux, ils sont en train de faire ces vaccinations Mais c'est ça aussi, les Nigériens ont des doutes. Et parce que quand tu vois la maison de l'autre brûler, mais toi aussi, il faut que tu t'attendes à, t'éloigner de là-bas pour que tu, ne brûles pas. Parce que les vaccins, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux, on entend ce qui se passe. Dehors, de bouche à oreille, dans les fadas et autres là, celui qui a pris la peine de se faire vacciner, Johnson Johnson, il a du mal aujourd'hui à faire, à respirer, du mal à faire ceci. Mais il va le dire. Et est-ce que toi, ça va t'inciter à aller te faire vacciner Et moi, je me dis, la pire des choses, au Niger, là, il ne faut pas dramatiser les choses. Comme ils l'ont dit, il y a plusieurs maladies qui ont besoin de vaccins depuis des années. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé les vaccins là et ça continue encore à tuer. Vous faites allusion les paludisme euh, Le paludisme est là. Euh, la rougeole, euh, la varicelle même en train de chier c'est pagaille et demi. Mais moi, je me dis aujourd'hui également pour un pays où il y a la majorité euh, de nos populations ne peuvent pas aujourd'hui subvenir à leurs besoins alimentaires alimentaire même. Est-ce qu'aujourd'hui, ces populations vont penser que euh, euh, euh, le, coronavirus, la COVID-19 existe Ousmane, c'est du coup rapidement. moi, je, reviens sur les cas de décès-là. Vraiment, il faudrait que les gens, comme dirait l'autre, se respectent dans ce pays-là. Parce que sur quelle base, sur quoi se base-t-il pour dire c'est des décès liés Moi, j'en connais, j'en ai connu des décès qui n'ont rien à voir avec la maladie de la COVID-18 elles ont ils ont ah. été enregistrés comme vous. <laughs> S'il vous plaît. Ah. moi, je dis, hein, jusqu'à preuve de contraire, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Vu ce que nous avions vu, ce que nous avions entendu et dont ce nous avons été témoins auditifs et oculaires. Des cas de décès mis au compte de la Covid alors qu'il n'en était rien de, de Covid. Passons au second sujet de ce forum de la presse. Lundi 22 novembre s'est euh, ouvert à Niamey pour 48 heures d'un symposium des chefs traditionnels euh, du Niger autour euh, de la transition démographique. Il vise entre autres la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école, une question autour de laquelle les chefs coutumiers ont adhéré. Le chef du canton de Cantier, région de Zender, l'honorable euh, Tuntuma Abdelkader Amadou Issaka dans son discours, a rappelé les parents à plus de responsabilités dans la scolarisation de leurs enfants, notamment les jeunes filles. Memoune au Niger, 77% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans selon des statistiques de l'UNICEF. Le président nigérien Mohamed Bazoum a profité du symposium pour mettre les chefs traditionnels devant leurs responsabilités. Pensez-vous que l'État a un rôle éminemment important à jouer dans ce domaine oui, mais bien sûr que l'État a un rôle à jouer dans ce domaine. C'est la préservation donc euh, de, la jeune fille, les droits de la jeune fille, euh, de mettre fin donc au mariage précoce comme il l'a dit. Euh, je suis entièrement bon, je suis d'accord, pas entièrement d'accord, mais je suis d'accord avec cette initiative de l'État à réunir dans un forum les chefs traditionnels pour leur dire bon, écoutez, vous êtes les porte-parole de la population. À vous maintenant de relayer euh, le message que je vais vous donner. Donc, j'ai vu, j'ai écouté déjà les engagements qui ont été pris euh, par ces chefs, euh, ces notables où il n'y aura pas de mariage Il s'engage à ne pas marier la jeune fille à l'âge de 18 ans. Avant, l'âge de 18 ans, il s'engage à laisser la jeune fille aller à l'école euh, jusqu'à euh, la fin donc, euh, de, ses 18 ans. Voilà. Mhm. Et il s'engage également. Donc, moi, il s'engage dans beaucoup de choses. Maintenant, c'est quoi C'est juste pour réduire la natalité. Parce que euh, aux yeux donc, euh, de nos partenaires techniques et financiers. Euh, on pense que le Niger aujourd'hui a le taux, le un, plus, fort taux. un fort taux de natalité. Donc comment est-ce qu'il faut les faire Il faut faire réduire parce qu'ils ont cherché à parler terre à terre pour dire il y a trop d'enfants, essayez de diminuer. Les marabouts se sont, ils se sont heurtés aux marabouts qui refusaient à un moment donné d'appliquer ce système. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut maintenir la jeune fille à l'école et cesser les mariages précoces pour pouvoir diminuer de la natalité de la population. OK, mais quand vous dites qu'il ne faut pas marier la jeune fille avant 18 ans, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État a pris les précautions pour éviter à cette jeune fille de se retrouver dans la rue, ne serait-ce que la nuit et la journée, et de tomber en grossesse Parce que nous les voyons. Nous voyons ces jeunes mais, filles. Mais est-ce que, est que vous pensez que l'État peut faire quelque chose à ce niveau L'État peut faire quelque chose. À travers l'adoption des, textes contraignants, euh, par exemple Mais l'État peut faire beaucoup de choses, parce que c'est l'État, c'est quand même l'État. C'est lui qui a le dernier mot, je pense bien. Alors, c'est quoi euh, Si vous voulez maintenir ces jeunes filles à l'école, et éviter de les envoyer aussi dans la rue. Parce que il y a des jeunes filles aujourd'hui, quand vous regardez même ici à Niamey, il faut aller visiter dans certains collèges, certains lycées. Il y a des filles qui n'ont pas atteint encore le lycée ni le collège en classe de 6e, qui sont déjà dans la rue, qui ont été renvoyées de l'école. Mais si ces jeunes filles qui ont été renvoyées de l'école ont moins de 18 ans, eh ça veut dire que eh, où est-ce qu'elles vont euh, se retrouver Dans la rue. Alors qu'il y a la possibilité à l'État de créer les conditions pour les insérer. La réinsertion, c'est très important. Et aujourd'hui, il faut regarder aussi l'état de nos villages, l'état de la population. La population qu'on a aujourd'hui, c'est une population jeune. Mais comment est-ce que l'État peut contrôler cette jeunesse C'est ça, avec tout ce que nous voyons, la dépravation des mœurs. Comment est-ce que l'État peut contrôler ça Il faut se poser la question. Parce que quand vous demandez à des chefs traditionnels d'éviter le mariage eux-mêmes d'éviter de prendre des femmes à moins de 18 ans et d'éviter donc à ces jeunes filles de se marier à 18 à moins de 18 ans. Mais vous mettez en cause également la situation de la jeune fille dans ces villages. Il faut trouver une solution très rapidement qui va avec les principes que vous voulez prendre pour la jeune fille. Ousmane coup, le phénomène du mariage des enfants est une réalité à l'origine de nombreux cas d'abandon scolaire des jeunes filles, de naissances rapprochées et de nombreux impacts sanitaires comme les fistules obstétricales. Quelle analyse ou commentaire vous suscite ce phénomène Vous savez, euh, Mokhtar, euh, ce symposium, moi, j'ai un profond respect pour euh, nos leaders religieux au coutumiers qui sont dépositaires de beaucoup de nos valeurs et principes. Euh, mais euh, j'imagine leur position inconfortable, comme dirait l'autre, sont entre le marteau et l'enclume. Euh, d'une part, les partenaires techniques et financiers, de l'autre part, l'État. Moi, j'imagine un leader coutumier, son comportement dans sa communauté pour dire à un marabout qui aimerait quand même sceller le mariage, ou bien un parent qui aimerait sceller le mariage de son enfant et qu'est-ce qu'il va lui euh, euh, qu'est-ce qu'il va arguer comme argument massu pour le déchader. C'est pour vous dire que euh, franchement moi je pense que c'est des cas dont il faille tenir compte, mais qui sont loin, beaucoup loin de coller à nos réalités, à nos spécificités, à nos coutumes, à nos us. donc, honnêtement, parlant. Ces leaders coutumiers, c'est quand même. Ils sont dépositaires de, des us et coutumes de nos traditions pour, beaucoup et pour, certains, aujourd'hui, euh, il y a une rupture euh, pour certains euh, avec eux et leur communauté. Dans certains milieux. Dans certains milieux. L'un dans l'autre, moi je pense que franchement, c'est vrai, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Mais aujourd'hui, entre un père de famille qui aimerait voir ou bien qui aimerait marier sa fille, hein, et qu'on lui dise non, euh, non, euh, au nom de je ne sais quoi, euh, suite à des exigences de, de, de, de d'où, on dit non, non, non, elle n'a pas atteint l'âge de se marier et que on ne lui souhaite pas que son enfant, cette fille-là, lui fasse un enfant au dehors. Hors mariage. S'il vous plaît. comment faire pour que cette mission réussisse C'est-à-dire, hein, c'est ça que je dis, il faut faire le distinguo entre les exigences euh, de, de, de l'extérieur et vraiment euh, nos, nos, nos, nos, réalités et qui plus est même beaucoup de nos recommandations religieuses. Beaucoup de nos recommandations, c'est là où je dis je plains beaucoup vraiment euh, ces, ces chefs-là. Ils sont dans une position embarrassante embarrassante. Donc honnêtement par là, entre ce que ce qu'aimeraient dicter les partenaires techniques et financiers et ceux qui vraiment la réalité, vraiment moi je pense que il faut pas qu'on qu franchisse euh, qu'on franchisse euh, le, le, euh, le, seuil. Honnêtement parlant, il faut qu'on s'en tienne à beaucoup de nos valeurs, à beaucoup de nos us. Mokhtar, aujourd'hui, aujourd'hui, ceux qui viennent nous balancer ces concepts-là, quel qu'en soit l'âge, euh, une, fille peut dire à son papa, papa, tu manges, je suis pas d'accord. Est-ce que vous voyez une de ici, quelle qu'en soit l'éducation, quelle qu'en soit une, fille tenir des pareils propos à face à son père Franchement, de grâce, hein, de grâce, qu'il trouve d'autres mécanismes euh, pour carotter les sous des partenaires techniques et financiers, mais qu'il nous laisse vraiment ici avec des valeurs, valeurs auxquelles nous tenons fermement et vraiment, euh, nous, y, tenons et nous, allons y veiller comme la prunelle de C'est ce qui a caractérisé de tout le temps nos sociétés et ça a marché depuis des lustres. Ce n'est pas maintenant qu'on va venir euh, nous, essayer de nous démontrer le contraire. Abakari la question du mariage et surtout l'âge du mariage est une question euh, très sensible au Niger. Ousmane Sédoukou vient de le rappeler. Les chefs traditionnels, à eux seuls, peuvent-ils relever ce défi À mon avis, non à mon avis, non. Euh, oui, euh, dans le monde rural, ils ont un certain poids, n'est-ce pas Ils peuvent euh, être... en tout cas, ils peuvent transmettre leur message. Mais eux-mêmes, ils sont issus de cette culture-là n'est-ce pas, qui fait que les filles se marient tôt, qui fait que les enfants commencent à naître très tôt. Une fille qui commence à avoir des enfants à 15 ans, à 14 ans, Bon, à l'âge de 40 ans, elle aura peut-être 15 euh, euh, enfants, tout est possible. Mais euh, moi, je pense que le problème n'est pas bien posé. ou alors, il n'est pas concret. depuis 15 ans, 20 ans même, on nous ressasse que le Niger a le plus fort taux de natalité au niveau mondial. 3,9%. Mm. Ça, 7, euh, enfants pour chaque femme mm. en moyenne. Euh, alors, qu'on dise en quoi est-ce le problème. En quoi est-ce un problème En quoi ça gêne Oui. Et qui ça gêne Si les concernés ne sont pas gênés par rapport à ça, ça veut dire que ce n'est pas un problème. Parce qu'aucun père, aucune mère n'est sorti tout le monde est content de faire son baptême et personne ne sort pour dire que j'ai trop d'enfants, je ne suis pas content ou je vais égorger un. Oui, mais quand on a beaucoup d'enfants, euh, qu'il faille soigner, qu'il faille nourrir, euh, qu'il faille pourquoi j'ai dit, oh, il y a une démarche qui n'a pas encore eu lieu. Comment impliquer la société, la population dans cette démarche Jusque-là, oui, les experts disent que on a trop d'enfants, n'est-ce pas C'est là la source de notre problème. On n'arrive pas à faire assez d'écoles pour tout le monde, c'est parce que nous, avons beaucoup d'enfants. Si l'État ne peut pas s'engager, se déterminer à mettre suffisamment de ressources dans l'éducation de nos enfants, dans la santé de nos enfants, qu'elle aille au moins, qu'il aille au moins vers la population, dire aux gens, écoutez, voilà le problème, les convaincre que c'est un problème, parce que les gens ne sont pas convaincus que c'est un problème. C'est quand tu n'as pas d'enfant même que c'est un problème. Ça, c'est un. Euh, chez nos partenaires, en Occident particulièrement, un, jeune de 25 ans peut se décider à ne jamais avoir d'enfant. Chez nous, c'est ta propre mère qui va te tabasser si tu dis ça. <laughs> Ta femme, si elle ne peut pas avoir d'enfant, elle risque d'avoir une coépouse ou de s'en aller. Parce que tous tes parents ne seront pas d'accord avec elle. Parce qu'on pense que c'est la femme qui, qui ne donne pas, l'enfant. Donc, ça reste précieux. Certains me diront que à une certaine époque, l'enfant c'est une fortune parce que c'est l'enfant qui t'aide à cultiver ton champ, à amener le bois, à transporter la récolte à la maison. Aujourd'hui, oui, ce n'est plus le cas. Mais dans notre mentalité, on n'a pas encore sorti que nos enfants sont encore une richesse pour nous. Certains te diront, c'est la seule richesse d'ailleurs valable. Donc, pour convaincre, cette population-là que d'abord, trop d'enfants, c'est dangereux, que ça t'appauvrit, ça t'empêche de faire de l'économie, que tu ne peux pas tous les envoyer à l'école. Encore que l'école, ce n'est pas sincèrement un problème pour une fin à soi pour beaucoup. Mhm. Moi, je connais à Niamey des familles qui refusent d'envoyer encore leurs enfants à l'école. ou garçon. Je connais une, famille de plus de 20 enfants euh, où aucun n'est allé à l'école. Eux, aujourd'hui, ils ont commencé à envoyer leur école. Maintenant, les petits-fils, ça, ça ne dépend pas des parents, donc ils commencent à aller à l'école. Et ça sort bien. Donc, il faut d'abord convaincre cette population-là que avoir beaucoup d'enfants, c'est un problème. Mais si tu n'arrives pas à convaincre, dans un pays j'ai discuté avec une euh, expatriée, comme on dit, une amie euh, française. Elle dit, elle arrive à comprendre une chose, que même la retraite des parents, elle a compris que ici c'est les enfants qui assurent ça. Parce que tu as travaillé entre guillemets dans l'informel toute ta vie. Tant bien que mal tu as pu faire face aux besoins de ta famille. Tes enfants, tu as pu les encadrer, ils ont grandi. Tu en as dix. Si c'est au village, chacun, de ces enfants-là, leur femme ou elle-même, t'apporte à manger, jusqu'à ce que toi-même tu en donnes à la famille. Quand ta case tombe, ils sont là pour s'en occuper pendant tes vieux jours. Si tu n'as pas d'enfants, qui va s'en occuper Donc, c'est une réalité qui est là. L'enfant reste et demeure quelque chose chez nous que vraiment nos experts rentrent davantage dans cette histoire pour déterminer c'est en quoi. Je sais que pour l'État, c'est un problème. Parce que nous avons un État qui n'arrive pas encore à mettre combien 10% du budget dans l'éducation. Et même ça, ce qu'il met ne parvient pas à l'école. Ce qui fait que nous avons des enfants qui meurent dans des incendies, dans des histoires vraiment impensables au XXIe <coughs> siècle. N'est-ce pas Est-ce que ce n'est pas l'État qui est en déphasage avec sa population On ne une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse euh, de ce soir est relatif à la sécurité routière. Dimanche 21 novembre, c'était la journée africaine de la sécurité routière. Et selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé OMS, les accidents de la route au Niger sont préoccupants. Le pays occupe le 21e rang sur les 34 euh, pays africains classés cette année. Le ministre des Transports Almo Morou a déclaré à Maradi, où la journée est célébrée cette année, que 80% de ces accidents sont d'origine humaine. Ousmane coup au Niger, 80% des accidents sont d'origine humaine. Comment l'expliquer euh, au regard de la recrudescence, euh, il ne se passe un jour hein, dans la capitale que vous ne soyez témoin au moins d'un accident. Les causes sont d'origine certes humaine, mais en même temps ces causes sont multiples et multiformes à mon avis. Il y a non seulement le téléphone au volant, il y a le dépassement, il y a le croisement, il y a les, stupéfiants, il y a l'alcool. Aujourd'hui, une chose grave, à la devanture des établissements, à moins que le phénomène, peut-être les dispositions ont été prises. Je ne sais pas comment ils appellent ça, drift ou gift, comment ils euh, s'appellent, le, le fait de... c'est inadmissible. Au vu, au sud de la société, elles sont combien des familles endeuillées Des enfants où on laisse à, les enfants au volant des véhicules en s'adonnant, en, ben, en, la, la désordre. Je me dis que c'est grave et les responsabilités sont à partager les responsabilités sont à partager. J'ai souvenance, euh, l'État a élaboré, je il y avait même un, document allant dans ce sens de 2017-2025, c'était au temps de, de, Carillo, comme il était au commun. L'objectif de cette stratégie-là, c'est de réduire de 50% les, accidents de ce. On en est où avec cette stratégie élaborée mieux, Mokhtar. C'est dire que euh, il y a aussi l'état de route. C'est pour ça que je dis les responsabilités sont à partager. Maintenant, vous, vous, pensez que les textes ne sont pas appliqués Les textes ne sont pas appliqués. il y en a eu combien de rencontres sur la sécurité routière au, Niger. Il y a même eu, je ne sais pas ce qu'elle devient, une Agence nigérienne pour la sécurité euh, routière. Elle devient quoi cette agence-là les textes ne sont pas appliqués, mais il y en a eu tellement de rencontres, tellement de forats sur la sécurité mais comme d'habitude, les résolutions et tout ce qui en est ressorti sont restés eh, dans les l'électorat. Je me dis que eh, on peut y remédier, on peut y remédier. Il faut que chacun joue sa partition. L'État en assurant les, routes, ils sont pour beaucoup. Eh, la sensibilisation, je viens de parler aujourd'hui, euh, vous ne serez pas surpris de voir des gens au, volant, ils sont en train de, téléphoner. Vous êtes, vous pensez être sur votre priorité, euh, on vous dépasse d'une de ces manières, ou bien on vous coupe la priorité, comme on dit. Donc vraiment, c'est de mettre à contribution euh, aussi bien les structures en charge pour que vraiment nous n'assistons pas, ou nous, cessons d'assister ce à quoi nous sommes en, train d'assister, c'est-à-dire le nombre ou bien les cas effarants d'accidents qui ne font que s'aimer euh, tristesse et désolation dans plusieurs, dans bon nombre de foyers. Mamoune Diado, selon euh, le ministre euh, des Transports Al-Moumarou, en 2020, 14 708 accidents ont occasionné 1405 morts, 3 625 blessés graves et 7 558 blessés légers au Niger. Qu'est-ce qui ne marche pas finalement <laughs> Mais ce qui ne marche pas finalement, c'est dit dit, c'est l'état des routes. Il y a l'état des routes de là. Parce que quand on remarque la majorité des accidents qui ont été enregistrés, c'est des accidents où c'est des passagers, c'est des véhicules qui tombent en euh, euh, tombeau ouvert avec des passagers euh, sur les routes. Donc, il y a ce côté, il faut améliorer les routes. Il faut sensibiliser comme il l'a décidé. Et en sensibilisant la population. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent du plaisir à, faire même les, à provoquer même les accidents. Comment ça À provoquer les accidents. Parce que, en fait, tu as la priorité. C'est vrai, tu as la priorité. Mais ça ne t'empêche pas quand même de d'éviter de, de quelqu'un qui a coupé ta priorité. Toi, tu sais que tu as la priorité, mais tu peux au moins laisser tolérer, tolérer cette personne passer. Mais on voit du tout, parce que c'est moi, j'ai la priorité. Celui-là s'est engagé. Donc, il me faut coûte que coûte lui montrer que j'ai la priorité. En cas d'accident, voilà. tout ça. Vous n'avez pas la parole, Ousmane <laughs> Laissez-la, donc, donc, en fait, c'est pour dire que c'est vraiment, il y a tout ça, la sensibilisation. Montrer que vraiment, une vie, la vie, elle est sacrée. Elle est sacrée, on doit préserver cette vie-là. Donc, il y a également aujourd'hui les voies que nous prenons, que nous en il y a des voies qui ont été uniquement faites pour les piétons, qui ne sont pas respectées. Il y a des voies où aujourd'hui c'est les cyclistes et autres là qui doivent emprunter ça, mais ils ne sont pas respectés. Et aujourd'hui également, quand vous regardez. selon, selon vous, ne suis pas respecté. Pourquoi ne suis pas respecté C'est parce que c'est la naïveté. D'aucuns, c'est la naïveté et d'aucuns refusent en fait ce que je viens de dire. Et le code de la route même n'est pas. Euh, ils s'en fichent complètement du code de la route. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même les permis de conduire, ils sont. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un permis de conduire aujourd'hui Tout le monde sait. Il suffit de prendre la voiture de ton papa, la voiture de ta maman, tu sais conduire un peu, euh, voilà, voilà. Et tu es à la maison, on te fait établir un permis de conduire sans que tu n'aies à dépenser, sans que tu n'aies à dépenser euh, physiquement, mentalement, aller devant, faire le concours ou bien pour. Parce que c'est un concours aussi à l'auto-école. On vient, on te donne ça, parce que tu es le fils d'un tel, la fille d'un tel. Donc voilà, on, a vu la majorité des accidents, c'est des jeunes qui provoquent les accidents. Mais dans ce cas, la faute à qui C'est l'État. L'État qui a pu enregistrer le nombre de décès, le nombre d'accidents, et doivent s'y mettre. Le ministère du Transport doit s'y mettre pour aller vers la sensibilisation de ces populations aller vers la sensibilisation de ces populations. Parce qu'on en a parlé ici. Il y a combien de bus qui tombent et il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de sensibilisation. Aujourd'hui, sensibiliser même ceux-là, ceux-là qui traînent en longueur de journée, combien de passagers doivent être sensibilisés oui, à l'interne on a coutume de dire que l'accident n'est pas une fatalité. Nous pouvons et nous devons à jamais l'éviter. Comment faire passer ce message-là Mais c'est ce que je suis en train de dire. Passer le message-là, il faut euh, une sensibilisation. Une sensibilisation où Dans les gares, une sensibilisation même devant euh, euh, une caravane. On peut initier des caravanes qui vont sillonner de telle ruelle à telle ruelle, de telle route à telle route, pour pouvoir sensibiliser. Avant, je voyais les jeunes volontaires qui, qui faisaient, qui faisaient euh, cette sensibilisation. Il, faut également euh, féliciter Yoro. Parce que Yoro avait créé une émission. C'est qui Yoro Yoro de Bonferré. Le euh, journaliste, qui anime. voilà, qui avait une émission où il animait sur Bonferré, qui sensibilisait. Moi, je me dis que si chacun de nous s'engageait à faire quelque chose pour pouvoir sensibiliser à notre manière, ça peut aller. Ça peut aller. Mais il faut que l'État s'y mette. C'est très important. L'État doit s'y mettre pour mettre à travers euh, des textes contraignants, par exemple. Oui, des textes contraignants, parce qu'on a des textes ici. Mais les textes, comme je l'ai dit, souffrent d'application. On le sait, on le sait. Mais euh, moi, j'ai sillonné, euh, j'ai séjourné en Éthiopie. J pendant tout le temps où j'ai séjourné en Éthiopie, une semaine, je n'ai pas vu de police de la route. Les routiers, les polices, il n'y en a pas. C'est le feu tricolore là qui vous fait passer. Et on, en, a ici à Niamey assez On en a ici assez à Niamey, mais j'étais surpris, moi, quand mm. j'étais parti là-bas, tout le monde suivait la direction normale. Il n'y a pas d'embouteillage. Mais ici, aujourd'hui, par manque de respect du code de la route, il faut aller vers 17h dans certains carrefours de Niamey. Pas possible de passer. Tu vas faire une heure de temps avant de passer pour aller chez toi. Abakari Arimi, le ministre des Transports, a également expliqué que cette recrudescence du cas d'accident est euh, relative au mauvais état euh, du réseau routier, comme euh, Ousmane l'a rappelé, et la véticité du parc, du parc automobile et au non-respect des prescriptions du Code de la route, notamment l'excès de vitesse par certains usagers. Comment y remédier à court terme je vais quand même commencer là où euh, euh avait fini. En fait, euh, vous savez, cette histoire d'accident de, la route, d'abord, ceux qui transportent, ah, c'était Memouna qui en a parlé, euh, les compagnies de transport, qui transportent 70 en moyenne personnes, n'est-ce pas, de personnes par trajet qui font d'accidents, qui font des accidents en pagaille et demi, mais dont nous, les hommes des médias, de plus en plus sommes incapables d'en parler. Nous ne couvrons plus ça. Pourquoi Nous ne dénonçons pas. Pourquoi les, parce que c'est les, principaux, entre autres, entre autres, c'est parce que c'est les principaux bailleurs, annonceurs des organes de presse. Ça, il faut pouvoir dépasser. Il faut pas se voiler la face. Il faut, il faut pouvoir dépasser. Maintenant, pour revenir à ta question, sincèrement, quand dans ce pays, pour une fois, un ministère appelé ministère de la culture et du, de la renaissance culturelle, je me suis dit, enfin, voilà une solution qui va être trouvée à certains de nos problèmes. Parce qu'on a un problème de comportement. Mais tout comme pendant la, période des régimes d'exception, on veut toujours procéder par le matraquage, par, euh, euh, les sanctions. Euh, on veut faire peur aux usagers. Non. Parce que dès que la peur passe, on retombe dans la vieille gadoue. C'est le cas aujourd'hui du port des casques. Et même la ceinture, les gens ont délaissé. Parce que tout simplement, on leur a dit c'est 10 000 si on te prend. Bon, il faut que le policier me prenne pour que je paye les 10 000. Alors qu'il faut dire aux gens, c'est pour votre propre sécurité. Autrement dit, il est temps dans ce pays que l'État prenne en main la communication pour le changement de comportement. Ça a changé énormément de choses. Même ce problème de natalité dont on parle. Si on prend en Tanzanie, en Inde, au Mexique, c'est là-bas que vraiment le concept euh, changement de pour le comportement social de comportement, pour le changement social de comportement est né. Et les gens sont parvenus à des résultats probants. C'est une communication audiovisuelle et il faut croire et faire. Ça s'étale sur une certaine période et le résultat est probant. Il faut oser le faire. Parce que, euh, à quoi on est confronté aujourd'hui À les accidents. Oui, à l'extérieur, il y a l'état de la route. Oui, la pour la vétusté de nos véhicules, parce qu'on achète tous les véhicules qu'on achète, à 99%, c'est des véhicules de plus de 10 ans. Au mhm. Oui, parce qu'on est pauvre, non On est pauvre. Ça, c'est le problème, le plus gros problème à résoudre. Mais à les parents, tu as volé de l'argent, tu t'es fait de l'argent par le biais du parti politique tout, tu donnes la, voiture, une 4x4 V8 à un enfant de 17 ans, à un enfant de 15 ans, qui va écraser des, les gens qui sont tout simplement assis. Non, ça c'est un. Ça c'est un. C'est des choses vraiment qu'il faut nécessairement éviter. le, le parent, tu as euh, tu es responsable de ton enfant. Tu as la responsabilité de ton enfant, mais tu es responsable de ton enfant. C'est à toi de ne pas faire des choses comme ça. Hmm. Ça, c'est ça, ça, ça, c'est un. pour ce qui est de l'état de la route, ou pour notre impatience au niveau des feux optiques, au niveau des ronds-points, tout ça, c'est des comportements qu'il faut bannir. Mais par, par la sanction, par le, comment on appelle, la pénalité, on ne peut pas régler le gouvernement doit s'asseoir convenablement, opter pour un changement, une communication pour le changement social de comportement, et ça marche. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Abba Arimi, journaliste à la radio alternative, et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivez de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 euh, samedi, le forum à Hausa et dimanche, le forum en Zarma. Merci à la technique régisson assurée par Mustafa Ayuba et à la réalisation Issa Alawali. Merci, au revoir.